benen euh, débat bi fi juddoon dem tam moy recours bi ñu déposer jëmale ko ci Ousmane Sonko ndax né euh, état de contumace le nek condamné won nañ ko waye tam dossier Mambay Niabi alors euh, c'est vrai que dañ la dalal nak en tant que acteur politique hein, <laughs> euh, mu leer mais bon puisque si sa xam-xam match na jëm ci walu droit dana am solo. tuuti rek ah ah <laughs> dana am solo en tout cas. tout direct ñu am ce, ce gis-gis au moins sur aujourd'hui le débat qui se pose mooy visibilité ñaari nit muy les Diaz Ousmane Sonko euh, ñi Barthélémy Diaz condamnation sur l'affaire Ndiaga Diouf motax ñu bari japp ne nek candidat bu mel Ousmane Sonko dem le débat qui se pose moy la loi d'amnesty est-ce que couvrir na l'affaire Mambay Nia wala en tant que juriste euh, ban analyse nga ci def ta ñuy dugg ci biir émission bi. bon wax nga ko Euh, en réalité, vous m'avez invité, on peut parler français Oui, français, on le met en wolof Vous m'avez invité en tant qu'acteur politique. Hmm. Euh, et non pas en tant que technicien du droit. Ouais. Euh, je ne vais pas réfléchir à la question réellement parce que dernièrement j'étais très très très occupé sur les questions de, de listes, de mhm. conception de liste et puis des obligations liées au dépôt des listes. Mais bon, en tant que juriste, je pense que je peux donner mon point de vue qui sera très simple. Pour le cas de, pour le pour où Barthélémy Diaz mm. euh, jàpp déjà condamné son maintien à l'Assemblée nationale était suspendu à l'adhésion du ministre de la Justice. Euh, donc, c'est clair et, précis que euh, rebolote. déjà que fondamentalement je pense que ensuite euh, on a lu tout de suite l'article 162 du code électoral qui dit que en réalité en tout cas son métier à l'Assemblée nationale le cas où il sera élu. Mm. ne dépend pas de lui de sa démission. donc euh, il suffit simplement que les euh, acteurs politiques nous, nous, activer ce, levier-là. En tout cas, que la question euh, n'est que sur la table et que les gens... Et qu'il, en tout cas, qu'il ait peu de chance de euh, continuer à être député. Sur le plan politique, je pense qu'il n'était pas prudent, en réalité, mm-hmm. qu'il soit tête de liste. Parce que, parce que comme des femmes épée de Damoclès, mm. et qu'en tout cas, il n'est pas pu mettre de son destin, mm. nous,

nous euh, defal une liste pour participer à la construction du pays qui passe par effectivement avoir une très bonne assemblée nationale assemblée nationale pour répondre à sa réelle vocation. d'accord qui est de représenter le peuple dans un premier moment. Mmh. qui est de voter la loi faire le suivi évaluation oui des lois de façon beaucoup plus générale. Mmh. faire le suivi évaluation contrôle du travail gouvernemental. mais également être d'un appui population donc ñun suñu suñu suñu suñu positionnement. Hmm. ce n'est pas en en d'adversité non nous nous allons. mais concurrence tout au moins. la concurrence concurrence c'est toujours souhaitable dans dans une démocratie parce que nous posons euh, poser les questions ñuy les questions sur la table di ci waxtan di sans animosité. Hmm. donc ñun on est ci posture bobu lañ ci posture ñun on va écouter les doléances des peuples du peuple sénégalais des populations et que suñ ko sommes suñu suñu yalla may ay député yaakaar nañ dinañ nationale. d'accord et fondamentalement nous sommes dans une logique d'opposition systémique Nous sommes on est dans une logique de construction parce que le pays est très compliqué. d'accord c'est important dinañ ñëwaat seen coalition maintenant sur le cas euh, la loi d'amnistie. par rapport au dossier Mambay Ousmane Sonko. bon bon on est d'accord que sur la la on n'en parle pas. parce que. La dernière décision qui s'est imposée du juge de Racine Tchornia demandait la réintégration de Sonko sur les listes électorales. le Conseil constitutionnel, sur le présidentiel, lui, à l'entente de la présidentielle, a écarté la candidature du CIE. Nous n'avons en mm. droit Ousmane Sonko sur la base effectivement euh, de la diffamation. La question mm. centrale, fondamentale, mm. c'est de savoir si la loi d'amnistie est réellement euh, a été visée par euh, euh, si l'infraction de diffamation a été visée par, euh, voilà, entre dans le champ de la loi d'amnistie. Oui. Bon, ça c'est une question très complexe, pour dire vrai. Hmm. On, entend, on, écoutera le Conseil constitutionnel hmm. tranché, trancher, parce que c'est une question vraiment, que je veux dire, très complexe. Et ce sera très intéressant, nous, mm. Euh, la décision du Conseil constitutionnel et ses motivations ok va permettre de nous lu pour le moment c'est ce que je veux je pense que quelqu'un comme Ismaël Madior Fall donne les dossiers je pense à Ousmane Sonko Mambay ce sont des dossiers privés. parce que vous êtes là également comme politique comme vous le dites est-ce que vous n'évitez pas de froisser la la la la la sensibilité de de Ousmane Sonko et du Pastef quand on sait que. après la défaite de la Racine Sy, qui était membre de la paire, ou en tout cas partenaire de la paire, a repris toute sa liberté. Oui. C'est également pour pouvoir collaborer avec ce nouveau, nouveau régime Dans le cadre de la co-construction <laughs> dont vous avez fait cas également tout à l'heure. Mamadou Rassi n'a jamais été membre de l'affaire. Oui, mais tout au moins partenaire quand même. Oui, partenaire, on va dire. Privilégié. L'élection ah, euh, présidentielle le 24, février, le 24 mars 2024, euh, et le président Racine l'a rappelé euh, avant-hier, hein, samedi, quand l'élection a pris fin, le président Diomaye Faye a tendu la main et a dit venez. Non, non, il ah, a dit j'invite tout le monde à œuvrer pour que le Sénégal nous, nous ligue. Le président Racine le, jour du vote, a dit très simple c'est une ci euh, ci archive mm. que jeex campagne de jeex mais à rappeler que pour la présidentielle 2024 il a soutenu la candidature hein. c'est ce que je disais vous élection yi mm. le jour du vote. vous mm. votez pareil ba on en a fini avec la campagne électorale. Maintenant, c'est l'heure du vote et après, à la œuvrer pour la construction du pays. D'accord. Pour le moment, on n'est pas dans l'opposition. Par contre, on a fait notre liste. On va aller demander la voix des...